il sera question d'un sujet sécuritaire plus ou moins sensible. Nous allons parler donc des risques de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés non étatiques et aussi essayer de déterminer les raisons qui peuvent pousser un jeune à s'intéresser à ce genre d'organisation. Selon la base de données sur les lieux et le déroulement des conflits armés à CLED, les violences à l'encontre des civils au Niger ont fait 544 morts morts dans le contexte du conflit entre le 1er janvier et le 29 juillet 2021 contre 397 en 2020. Pour dire combien cela prend de l'ampleur malgré les efforts du gouvernement. Wannan shi yasa yau muka karkata akalar shirin namu akan wannan matsalar. Za mu ji menene asalin ita wannan matsalar. Wani irin haɗari ne ke tare da ta'addancin da matasa ke yi? Domin samun amsoshin wayannan tambayoyin sai kun biyo shirin namu na mu haɗa fada na yau. Et eh, comme vous le savez tout ça à la fada c'est 35 minutes d'échange de musique, de chronique. Unique de rubriek sauraron mu yau mun baje kolin fadar tamu a babban kankin da scoot ke yi kan shancen international da scoot a nan garin tilaberi domin tattaunawa akan wannan shigon namu duba da irin muhimmancin nashi wato les causes de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés non étatiques et les risques de cet enrôlement pour la jeunesse yau muna tare da Farouk Diallo président du forum ouest africain des jeunes scouts du Niger Farouk ça va ça va alhamdulillah en forme ça va très bien super muna tare da Yakubu Yaye Hamadou membre de l'association des scouts du Niger oui, c'est comment Ça va bien, Dieu merci. Et nous sommes aussi avec Abdoulaye Songo, scout aigu du Mali. Abdoulaye, ça va Ça va, Dieu merci. Vous allez bien Oui, ça va. Super, ça se passe bien le camp Oui. Et nous sommes aussi avec Zainab Boubacar qui n'est plus à présenter. Zainab Ça va, Alhamdulillah, chez vous ça va bien. Donc, on va aller directement aux questions. Selon Amnesty International, qui a écrit dans un rapport intitulé Je n'ai plus rien à part moi-même, publié le 13 septembre 2021, on peut lire que de plus en plus d'enfants sont tués ou ciblés pour être recrutés par des groupes armés dans le contexte du conflit qui fait rage au Niger, aux frontières du Mali et le Burkina. Farouk, à votre avis, qu'est-ce qui fait tout cela Qu'est-ce qui fait que les jeunes s'intéressent à ces groupes armés euh, Donc, il faut d'abord euh, qu'on aille un peu dans l'histoire pour voir que, en fait, chaque fois qu'il y a ce genre de problème ou chaque fois que ce genre de situation se présente, il y a toujours la jeunesse qui est impliquée. Elle est cause et conséquence de cela parce que ils sont acteurs de, euh, de ces violences. Ils subissent également les conséquences en majeure partie. Moi, j'ai énuméré à mon niveau trois raisons principales. Que ça, matassa, soit la quelqu'un qui ont un groupe armé. Parce que ya yana nema abin da shi ma zai ci abin da shi ma zai eh, zai gina fami in nashi ya zo cikin kasa gashi ba wanda ke kula shi ba abun da ke kula shi ba abun da ke kallon shi gashi nan dai an bar shi da kan kanshi yana ta tayya shi kadai gashi nan yana neman abinci bai samun komi don cette pauvreté yana frustran yaro kenan to an an kama shi an ce mishi wane ga mun baka ga dan kudi da za a baka ga abin da za ka yi dole accepte zai yi parce que shi in ba a sa shi condition da ke sa ya sa ya yi tunani ya ce a kasa na tukunan tun da kasan ma me ya kasance nan ga mishi ba abu da kasance nan ga bashi kenan shi ta kan eh, yake nan ga yi yanzu deuxième des choses kuma eh, akwai shan kwaya akwai shan kwaya in an ga generation in yara la plupart shan kwaya suke mhm. wanda ya sha kwaya deja kuma ba a biya shi ba abin da bai yayi kullum kama a ce mai kullum ko suna wucewa mm. wanda aka kama da aka kama mai kullum suna wucewa yara ga sunan sun shiga shan kwayan nan kwamfa possible ko ina ana ganin cikin garin ga sunan sun haukace wanda ba su haukace ba in an ba su eh, yan ci garan garan a ce ga abun da za ku yi nan sai su shiga parce que eux déjà ils sont sensibles ba su nan ga yi abin nan ba su nan ta da kansu mm. et puis troisième des choses akwai religion in mu wata rana in ana so a dauka yara su ake musu a ah, dan musulunci ne dan addinin ku ne ga abin da Allah ya ci ga alors que c'est des fausses interprétations jahilci ne kawai jahilci ne kawai c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la religion mais tunda mu ma in kanmu ba mu sa addinin mu ba kenan sai normal an ce muna ga abin da addini ya ci ga abin da addini dauka kawai muka yi mm-hmm. parce que matasa ba su sani ba ba mu yi karatun alkur'ani ba ba mu yi karatun abin nan krista ba su sani ba mu in kanmu ma ba mu san komi ba bisa kan eh, addini da muke nan gabi kenan in on est facilement contournable on est facilement euh, embarqué dans ouais. des situations comme ça. Facilement manipulable, comme le dit Zainab. Zainab, à part les trois raisons de Farouk et Bam yanzu, qui a ganin ki wa'anne irin raison kuma ke da kai wa'anda za su iya sa matasa su shiga ta'addanci? Kiya dai eh, abokina ya gai komi da komi. Uh, eh, gani na kamar wa'annan raison ne. Kuma akwai wani abu kuma da ake gayin C'est-à-dire que euh, cette jeunesse-là, cette, cette, partie de la jeunesse-là qui, en fait, s'embarque avec, euh, entre guillemets, euh, c'est tout simplement parce que cette jeunesse se sent délaissée. C'est vrai, hein il y a des lois qui garantissent l'éducation. on dit que l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans ou je sais pas 17 ans. donc il y a toutes ces, si je peux lois qui sont formelles, qui ne sont pas des, lois réelles. Donc je me dis tout simplement qu'il y a ça juste, juste sur papier. Si vous prenez, moi en venant euh, ici à Tilaberi, j'ai vu des zones où je me dis qu'il n'y a même pas d'école. Je me dis que l'éducation est le seul moyen pour nous euh, d'empêcher les jeunes de rejoindre les groupes terroristes. En plus de cela aussi, il y a euh, la mauvaise interprétation de notre religion. On constate que ici, malheureusement chez nous, chacun prend le Coran et interprète à sa façon, comme il veut. Moi, je prends l'aspect, c'est-à-dire le volet qui, qui, me plaît, qui me va, euh, le hadith ou verset qui me va, et j'interprète à ma façon, à ma manière, et j'applique. Et si on me, on me parle, je dis non, c'est le Coran, c'est l'islam, c'est la religion ça fait sans chercher à aller dans le fond. Malheureusement, non. Abdoulaye, vous êtes euh, membre des scouts du Mali. Vous, à votre avis, quelles raisons peut pousser un jeune à rejoindre les groupes armés non étatiques euh, Les raisons sont nombreuses. Premièrement, j'ai attendu de la part de certains de mes camarades il y a un manque d'éducation. Il faut l'éducation d'abord c'est l'éducation qui avant tout, d'après Nelson Mandela, Education is the most powerful weapon we can use to change the world. C'est-à-dire, euh, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer, le, monde. Donc, euh, tout ce que nous devons faire d'abord, c'est de valoriser l'éducation et aussi l'amour de la citoyenneté, le civisme au niveau scolaire. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas le civisme. Quand on commence euh, l'école, il y, a il y a la montée de couleurs chaque matin avant de rentrer. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi on a abandonné la montée des couleurs dans tous les niveaux. Même au niveau universitaire, il faut qu'on essaye de valoriser. Avoir aussi l'amour. Vous savez, il y a plusieurs de causes qu'on peut dire aujourd'hui, ça ne finira pas. La deuxième cause euh, que je vais ajouter, il y a aussi des terroristes qui sensibilisent, oui, je dis bien, qui sensibilisent la population pour que la population puisse les défendre, puissent être avec eux. Donc selon vous, il y a aussi le manque de civisme au-delà de tout ce que vos camarades viennent dire. Oui, exactement. Merci Abdoulaye. Merci. Et Yacouba. Dit. Moi, je vois ça au niveau de deux de volets. Donc, la, la première raison, en fait, c'est une raison économique. D'un autre côté, il n'y a pas de pression, mais il y a la raison économique. Tout être humain, on a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Manger ou bien mourir. Alors, naturellement, donc ces gens-là vont opter pour survivre. Imaginez par exemple ces jeunes-là qui sont euh, qui s'enroulent, qui sont dans des villages très lointains, qui n'arrivent même pas à manger. Et quelqu'un vient, il te propose, il te propose à manger de l'argent. Donc ça veut dire que c'est normal à ce que ces jeunes-là s'enroulent parce qu'il y a la question de ressources financières qui est là. Donc ça veut dire que c'est de leur propre gré et ils optent pour survivre, C'est qui naturel. Deuxième, c'est le volet euh, éducatif. Vous savez, euh, quand on dit éducation, éducation, éducation, c'est à l'école. À l'école, c'est un lieu de formation et d'instruction. Mais l'éducation, c'est dans la famille. Ce qui donne que ces gens, il faut revoir l'éducation qu'on est en train de donner à cette jeunesse à la maison, dans la famille. S'il y a un défaut, s'il y a un défaut, ou bien s'il y a des frustrations des parents, c'est normal à ceux qui les bénissent, qu'ils aillent, ou bien d'eux-mêmes qu'ils partent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Dans la famille, si vous n'avez rien, en, tant que jeune, de un, je ne suis pas considéré au niveau de la famille. Dehors, avec mes amis, c'est la même chose. Alors, donc, vous voyez, tout ça, il y a le poids de la société. La pauvreté, c'est vraiment euh, une des raisons qui revient le plus. Donc avant de continuer notre émission, Bari Mouja et Moubarma Arabi et les filles du programme Jeune, Fili pour nous présenter la rubrique Rose. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. les filles, c'est Marie de la rubrique Rose les cheveux à l'honneur. En astuce beauté, nous parlerons des bienfaits d'une plante sauvage appelée Yodo en Hausa et Gandefoy en Zarma pour les cheveux. Puis dans l'espace santé et bien-être, nous découvrirons les aliments qui favorisent la croissance des cheveux. Ça, c'est avec Maruki. Et enfin, en cuisine, avec votre chroniqueuse Bibi, nous verrons comment conserver la fraîcheur de nos feuilles et légumes longtemps après leur saison. Salut les filles, me revoilà, j'espère que vous allez bien. On a tendance à croire que les cheveux constituent une partie qui ne vit pas. Détrompons-nous les filles parce que nos cheveux vivent et ont besoin d'entretien et d'apport nutritif en vitamines A et C pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, notre spécialiste en nutrition, Dr Abdrazak Bello, que nous remercions, nous dira quel type d'aliments consommer pour une bonne croissance des cheveux. On l'écoute les filles. Parmi les éléments qui sont indispensables euh, à la croissance des cheveux, il y a la vitamine A. Euh, la carotte, à tous les aliments qui ont une coloration jaune orangée, que ce soit la pastèque, que ce soit euh, la tomate. Et également, il y a la vitamine C. Parce que euh, dans les cheveux, il y a une substance qu'on appelle le collagène et c'est ce qui est responsable de la santé des cheveux. Et la vitamine C est favorable à la synthèse du collagène. On prend le moringa, c'est riche en vitamine C. On prend les feuilles vertes de façon générale, sont riches en vitamine C. Les oranges et la famille des oranges, le citron. Plus on consomme la vitamine C, plus effectivement on va avoir une meilleure pousse des cheveux. de retour ce soir, nous allons parler d'une astuce à l'ancienne qu'une mamie nous a confiée qui fait pousser les cheveux, qui les rend plus lisses et fins qu'on appelle yodo en Hausa et en C'est une plante qui pousse dans la nature et que nous pouvons toutes utiliser pour la bonne pousse de nos cheveux. Pour plus de détails, écoutons notre mamie Fatima Amgar. Elle nous dit comment s'utilise cette plante moi quand j'étais petite en tout cas euh, la maman utilisait ça pour euh, laver nos cheveux c'est un excellent démêlant naturel après tu as les cheveux euh, bouclés quand tu as les cheveux bouclés ça ça boucle encore plus les cheveux ouais Mariam je crois que chez vous les filles targis c'est plus utilisé hein même à 20 j'avais lavé ma tête avec ça ah toi tu continues moi c'est quand j'étais petite <laughs> ok, on passe à la cuisine après quand on a nos cheveux bien lisses, en bonne santé. Ah, dans l'espace cuisine de ce numéro, nous allons parler de la conservation de quelques légumes frais. Généralement, on profite des saisons pour faire le plein de vitamines, avec des légumes et des feuilles vertes. Et souvent, on aimerait bien continuer à profiter de leur fraîcheur, même après la saison, mais ça devient super cher sur le marché. Commençons d'abord par la tomate. On peut profiter de sa fraîcheur longtemps en les plongeant dans de l'eau bouillante, puis retirer la peau après. Découper ou mixer, conserver plusieurs semaines au congélateur dans des sachets ou dans des bocaux. Passons à présent aux herbes aromatiques céleri, persil, coriandre fraîche, basilic ou ciboulette que vous pouvez trouver au marché. Ben, vous pouvez les garder frais pendant plusieurs semaines, mais pour ça, va falloir les hacher, les mettre dans un sachet ou un bocal, rajouter de l'eau ou de l'huile de tournesol ou d'olive. Personnellement, j'ai utilisé les deux et je vous dis, avec l'huile, c'est meilleur. Puis vous les mettez au congélateur. Ça se garde plusieurs semaines. Ou encore, vous pouvez euh, mixer toutes ces herbes avec du poivron, de l'ail et du piment frais pour euh, les amateurs. Vous pouvez les incorporer directement dans vos sauces ou vos vinaigrettes. Alors, ravi toutes ces épices-là et ces herbes, est-ce que c'est accessible sur les marchés Oui, avant c'était super compliqué d'avoir par exemple de la ciboulette euh, au marché ou même de la coriandre fraîche, mais maintenant tu peux en trouver. Il y a des petits bouquets, mais <laughs> qui coûtent cher. Ça, c'est super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, euh, amis jeunes. On va se dire au revoir sur Sista de Charlotte Dipanda et Yemi à la day. Bye bye gaba da gabatar muku da wannan shirin naku na muwaɗa fada inda maudu'in namu na yau shine les causes de l'enrôlement des jeunes de les groupes armés non étatiques et le risque de cet enrôlement pour la jeunesse. Kamar yadda na faɗa yau fadar tamu na tare da Faruk Jallo qui est le président du Forum Ouest Africain de Jeunes Scouts, da Yaye Hamadou, qui est membre de l'Association des Scouts du Niger, Abdoulaye Songo, qui est scout aigu du Mali, Abdou Sidi, commissaire national des routiers, et Zainab Boubacar, président de la FADA de Jeunes Filles et de l'ONG Jeunesse Plus. On va continuer avec nos questions. Farouk, je vais revenir vers toi. Farouk, est-ce que tu as une idée de comment se fait ces enrôlements-là Est-ce que tu as une idée de, des méthodes

qui est sûr c'est que suna da méthode su kenan ga aplike kuma suna enquête in su su gani wanga mutunan que in mujojin shi yana marché kenan deja sun san mutunan sun san uwayen shi sun san ubannin shi sun san komi da komi biskan mutunan sun san ko wanga mutun halin da ce in muke zan bashi wanga abun yarda zai yi kenan ba kamar mutane ne da ke hutawa daga waje su da kuma matasan mu a'a matasa ne da muke tare da su ne ke doko abokannin su suma ma matasa da muna tare da su kuma sai su kai su il suna da une in suna da mutanen da ke enrollan su suna da strategy in suna da komi da komi ke la mais exactement ban iya cewa ga ga abin da ake ga abin da ake mais en tout cas c'est des gens qui sont avec nous Zainab quest est-ce que tu as une idée de des méthodes de ce qui est utilisé pour attirer les jeunes Bon une fois j'ai lu euh, dans une euh, enquête que euh, ils font comme mon ami vient de le dire des prospections. <laughs> Quand on est commercial, on dit étude du marché et c'est ce qu'ils font aussi. Ils étudient euh, la population, ils regardent leur cible en fait, ils euh, étudient encore le comportement et puis tout de leur cible. J'ai aussi lu que c'est une forme de formation qu'ils vont faire à leur niveau. Ce sont des formations qui vont, c'est-à-dire changer la mentalité, la réflexion de ces jeunes-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont prendre des, des, c'est-à-dire les drogues, etc., mhm. etc. Donc c'est une forme de formation qu'ils font, comment agresser, comment, etc., etc. Et maintenant, pour les rendre plus euh, compétentes, ou parce que moi je me dis que ça n'a pas de sens, un jeune, c'est-à-dire un Nigérien, euh, quelqu'un qui est de, du, village ou du département ou du département ou de la région qui attaque des personnes de la rue, je pense que c'est inhumain. Donc c'est pour ne pas que c'est pour en fait pour que la personne ne réfléchisse même pas dès qu'on leur dit bon écoutez il y a une mission qu'il exécute sans pour autant réfléchir. Peut-être c'est après la personne va se dire mais est-ce que c'est moi Mais au fur du temps avec les prises des trucs et tout la personne ne va même pas se rendre compte. Il devient plus lucide en fait. Et c'est ce qu'il venait de dire, c'est les jeunes de, en fait, c'est nos confrères, c'est nos frères et sœurs en fait. Parce que j'ai dit sœurs parce que euh, j'ai constaté aussi qu'il y a des filles qui rejoignent mhm. entre guillemets. Pourquoi souvent c'est elles qui font la prospection, c'est elles qui étudient, c'est elles qui voient. On, considère que, bon, elles peuvent, elles peuvent autant pour moi euh, séduire ou etc etc pour détourner euh, l'attention voilà. Et je me dis que quelqu'un qui n'est pas de, du Niger ou de la région ou du village ou du département ne peut pas maîtriser les coins. Vous, avez l'habitude de, voir dans les informations, etc. Dès qu'il y a attaque, avant même que les FDS et autres euh, n'interviennent, il n'y a, plus personne. Mhm. C'est nos frères. C'est normal parce qu'ils maîtrisent souvent, je dirais pas mieux, mais ils maîtrisent les coins, ils maîtrisent les endroits, ils savent comment procéder. Là, je reviens vers vous. Est-ce que vous, vous avez une idée des méthodes qu'utilisent les groupes armés non étatiques pour attirer les jeunes Ils ont beaucoup de méthodes. Euh, premièrement, c'est de les montrer euh, après l'attaque ou après les, actes terroristes, l'importance ou euh, la valeur qu'ils vont avoir, telle que dans la religion, quand ils font des bons actes, selon nous les musulmans, tu vas avoir beaucoup de, de barrages. Donc, c'est-à-dire, ils travaillent avec la religion. Leur méthode, c'est de sensibiliser les jeunes. Donc, ils utilisent le nom de l'islam en sensibilisant ces jeunes-là

kamar su suke jawo hankalinsu kun san yanzu mu matasa yanzu kowane lokaci ka zo kawai zaman fada baka da komi baka da aikin yi kin daga nan su ganin suke amma ba irin wannan fadar tamu ba irin wannan fadar tamu ba irin wannan ta zo a a ce ba ga sha an zuwa an sha shayi wani wane ne ba irin kuma ba irin ku fadar ba <laughs> ba irin wannan su ba yawa kenan haka suke sai su diba su diba wai wani kote ne matsala suke da matsala kamar ko naka ce matsalolin yawan ga matasan namu ne yanzu kullun na dala ne sai su ga ku kuna ba ku da komai ce a ku taho ga abin da ya kamata a yi mu to in kun yi abu kaza kusan yadda ake cewa su ba su san su ce eh, su ba musulmi ba ne amma yadda abokina abdullahi hodi aka suke da sunan musulunci suke profite su zo su gwada muku tunda kategori iri iri ne wanga ce shi haka kaza ne musulmi shi haka kaza ne musulmi kenan wayan ga kenan haka suke profite da su kai ka zo cikin garinka a cikin ƙauyenka ko cikin shahaku kai da kanka da ka abin da za su gaya ma kake gani ko wallahi haka nan ne ashe suna da gaskiya tunda akwai abubuwan da mu da kan muke yi a haka suke yi suna jawo hankalinsu suna samu abin da suke ba su ku ganin da nan sun shiga tunda ni ban iya ganewa a ce kai dan gari wani zai zo wa daga wata ƙasa ya shiga garin ka wai ya san wani wani kaza cikin gidanku mhm. ko cikin garin ta zai in ba da Complicité. C'est dit. Mhm. Et selon Amnesty, toujours dans le même rapport que vous pouvez retrouver sur amnesty.org, ces groupes armés ciblent les jeunes hommes et les jeunes garçons de 15 à 17 ans, ou voire plus. Farouk, de 15 à 17 ans, ou voire même plus. Mais à votre avis, à quelle fin ces jeunes peuvent être utilisés un jeune garçon de 15 ans, par exemple, recruté dans un groupe armé yaro mai shekara goma sha hudu har goma sha bakwai yara ne ki son facilement manipulable sai da jean adolescent ne kenan duk abu da an gaya musu dauka suke kamar kansu ba su nina ba duk abin da aka samu aka samu su su suna kuruwar ne fasilman kwa suna bin mutum fasilman kana da sauci tare da su kuma da lotar kote matasa ne da in sojawa sun gane su ko in population sun gane su ba a sa maha bisa kansu mhm. in an gani suka za ci a ah, wanga yaro ne ashe yaro shine ke kawo information yara yaro shine exactly yara shine ke bada position inku yaro in nan habban ma yana iya sa ma kanshi ta ya exposition parce que shi kudu da an sa mishi cikin kai in ma ka mutu da ke za ka shiga kuma yaro ne donc facilement dauka ya ci et nous de notre côté on on prête pas attention ni ina tuné c'était en 2017 ko 2017 18 ne ko euh, da muka je eh, wani aiki a prison des mineurs ni na un enfant na shekara goma présumé complice boko haram da Akao, présumé. presume mine ne cikin abun abun nan eh, shan intatta sai aka kama aka ce kowa je can un nan bloqué bloke aka kama shi da aka kama shi yana da wayansu takardu da wayansu fai fai ko mine ne après aka en ce moment qu'on a compris complice information ne je cin garin difa ya dauko yana kai musu zai kai musu aka kawo shi nan ya mai puis ils étaient nombreux su da yawa ne haka nan an goma sha daya goma sha biyu goma sha uku donc c'est déjà comme ça même de 15 ans qui da même de 15 ans ana daukan su ana daukan su tun da déjà su kansu ba su ne ba mm. duk abin da aka faɗa musu dauka kawai suke zainab ki a ganin ki wani irin amfani ne bayan wanda faruk ya kwatanta mana wani irin amfani ne yaro matashi zai iya kawo ma irin wa'annan l'enfant de 15 à voire moins de 15 ans ils sont facilement manipulables et ils peuvent les suivre. Quel qu'en soit ce que vous allez leur demander de faire, ils vont, ils vont le faire sans pour autant réfléchir euh, d'une part. Et d'autre part aussi, c'est parce que ces enfants-là sont des enfants, ils n'ont aucune responsabilité. Ils n'ont pas d'enfants, ils savent même pas, ils connaissent pas la valeur des parents, ils savent pas que euh, ils sont des citoyens, ils sont responsables si ça se passe. C'est-à-dire s'il y a des attaques, si des gens meurent, y a leur responsabilité, c'est-à-dire il y a leur part de responsabilité et tout. Am ba bari in komo gare ka Yakub kai a ganin ka matashi an ka dauka dan shekara 12 15 da su wa'annan me ake cewa terrorist ke janyowa cikin su wani irin amfani ne za yi kamar wani irin aiki ne za su iya sa matashi dan shekara 12 15 to shi dama yaro sunan shi yaro dama dan shekara 12 sha uku zuwa sha biyar gani kawai yake ai duka abin daga tarbiyya ne kai a gida an bar kana abin da kake so ka hita waje wani ya ya jawo hankalinka ya kwatanta ma da a gida haka ne kuma shi ko ma baban naka yadda yake yi haka shi ma haka ya tashi ya ci da kai ma haka taso kenan kai ma kama jikinka ka ci gaba kawai me shi yaro shi bai sa akan shi baya bai da kamar in ya tashi bai sa akan shi kamar nan zuwa gaba shi ma kamar yadda aka tado shi a gida zai yi iyali da yara har zuwa gaba bai sa akan shi haka kawai shi kawai ya ga an kira shi an ce to wanga ne daidai kawai kai kai ta yi shi ne daidai ko kuma ka samu za ka iya buya ka to su kuma yara kai dan goma sha biyar yaro goma sha biyar kai me za ka yi da ma wani abu a baka kuɗi ka ce ka kai wani abu wannan kawai su gani suke kawai daidai ne su kawai ra'ayi ne kuma hakan ne daidai ne abinda babba yake yi mai kyau dai ne kenan kaga babba yana yi a gida ma kenan su ma waɗanda aka baro gida su ma dan ba su gani ba ne dan shine ba su yi ba kenan da sun gani su ma yi za su a haka za su bi in suka tashi shi kenan kenan duk abin da suka tashi kawai gani suke daidai ne haka nan ne eh, kasancewa kenan kamar yadda kuka sani wa sauraron fadar ta muna yi ne muna shakatawa aujourd'hui on va souffler avec euh, le son de Safiat Yidda ka za ta rai ngilanjidi chino the ariyo sauraron mu ci da gabatar muku da wannan shirin namu mu haɗu a fada inda maudu'in namu na yau shine les causes de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés non étatiques et les risques de cet enrôlement pour la jeunesse. Bakin namu na fadar tam ta yau Farouk Jallo, président du Forum Ouest-Africain des jeunes scouts, Yakuba Yaye Hamadou, membre de l'association des jeunes scouts, Abdoulaye Songo, scout aigu du Mali, Abdou Sidi, commissaire national des routiers, et Zainabou Bakar, président de l'ONG Jeunesse Plus et de la fada des jeunes filles. Donc, on va continuer avec nos questions. Zainab, bien sûr, Zainab, à ton avis, mhm. quels sont les risques pour un pays de voir sa jeunesse s'enrouler dans ce genre de, de groupe Eh bien, vous constatez les risques. C'est l'insécurité. Et de plus en plus, le Niger est plongé euh, dans une situation d'insécurité. Au tout début, il y avait euh, la région de Difa Maintenant, euh, à, à, Tilaberi, ça prend de l'ampleur, notamment à Tira. Donc, euh, ce sont les risques. Lorsque les jeunes ne sont pas euh, conscients, lorsque le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, en quoi faisant En faisant en sorte que ces lois, qui sont des lois formelles, deviennent des lois réelles, c'est à quoi nous ferons face. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et Sidi, Sidi, toi, à ton avis, quels sont les risques pour un pays de voir sa jeunesse Tourner du mauvais côté, si on peut le dire comme ça. Nous avons ici l'économie, parce qu'un euh, pays, son développement est basé sur cette jeunesse. Alors, au lieu que cette jeunesse prend son temps à travailler pour faire sortir de notre pays donc de ce joug de la pauvreté, s'il s'adonne à ce genre de choses, je pense que c'est normal à ce que notre pays continue à, régresser. Euh, deuxième des choses, c'est que nous euh, avons comme un avenir l'avenir de tout le pays est en train, d'être délaissé. Parce que ce jeune qui est appelé un jour à prendre la place de ceux qui sont en train de nous gouverner, qui s'assonne à ce genre de choses, ça veut dire que l'avenir du pays tout entier est à risque. da eh, matasa groupes non to gaskiya ai gashi da yanzu dai mun fara gani yanzu kasar duk gati ta fara tabarbarewa abin daga difa aka ce an fara an ya faru ya fara shigarwa ai kai aka yi gashi an sa musu ido an sa ido ana kallo yadda abin ya tabarbare yanzu kun ga inda ya tsallako abin ya tsallako daga can ya dawo kasa ya tsaya kusa tilaberi mm. kuma tilaberi yanzu dai duka-duka ma a ce tashin hankalin karuwa dai ne kenan yi bayanan koma baya kuma ga shayi kasar ita da kanta yanzu kuma ga kamar ba sai an ce wanga wuri ne kadai a da ko tashi hankali a sa ido yi kallo a ce karewa za shi duka kasar za shi bi in ya kasar duka kuma duka duka in ya kasar kuma duka gare mu za ta kara dawo mm-hmm. gashi yanzu gashi kana gudun ka ce ka taso ya mai za ka tilaberi hannunka ga gaba yake ya shi muna ta koma ba cin gaban kasa gashi babu shi mm-hmm. wani abinci wani wane duk a ruwa suke nan suna ta yi gaskiya in dai ba a nemi ba aka kawo ƙarshen wannan matsala gaskiya yana iya wuce haka tunda yana kaiwa inda baka ma iya hitowa ka ce cikin gidanka zaka zuwa ka zamna ka ce wai hira ne zaka yi da iyalinka ba ma waje ba ko ka ce a hita zaka yi zuwa wata ƙasa. Am Faruk sai gare ka. Faruk quels le les pour un pays de voir ces jeunes tourner du mauvais côté euh, Bon, moi je pense que déjà quand on va sur les, les conséquences immédiates et puis sur le court terme, on a déjà vu tout ce que les, mes camarades ont eu à citer. Il y a tout ça, il y a l'insécurité. Euh, quand on prend l'indice de développement, le Niger est toujours en arrière. Quand on prend par exemple, euh, là on est en train de vivre également une conséquence de cette insécurité qui est la faim, la pauvreté. Mais sur le long terme, c'est qu'il n'y aura même plus de pays. Parce qu'il faut qu'on le rappelle, le Niger est l'un des pays où le pays le plus jeune au monde. Donc si cette jeunesse-là est converti dans le mauvais sens, ça veut dire que le pays en lui-même tourne dans le mauvais sens. Dans une génération à venir, il n'y aura que ces jeunes qui seront responsables. Mais alors, quel sera l'impact de cette jeunesse qui sera responsabilisée alors qu'elle est déjà du mauvais côté pour le pays. Ça, moi, ce que je crains, c'est que si les précautions ne sont pas prises au moment opportun, ça veut dire tout de suite et maintenant, on va arriver à un moment où on ne va même plus parler du Niger. On ne le souhaite pas. Avant de clôturer notre émission, nous allons d'abord accueillir Olivier et sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, chers amis de la FADA, bonsoir. Pour moi, c'est toujours un plaisir et un bonheur de vous retrouver chaque samedi pour une nouvelle chronique. En cette période de vacances, nous sommes nombreux et nombreuses à chercher où se divertir. Ceux et celles qui ont plus de moyens partent hors du pays pour leurs vacances. D'autres restent auprès des parents pour travailler soit au champ, soit vendre au marché. Dans la chronique de ce soir, je viens partager avec vous quelques astuces sur comment préparer ses vacances afin d'avoir une année scolaire réussie. Il est vrai que les vacances scolaires, élèves et étudiants ont besoin de repos. Il est aussi vrai que les vacances sont les moments idéaux de s'évader. Mais il est important de comprendre que les vacances sont les seuls moments de l'année qui nous offrent pause et temps de réflexion. Un temps pour un nouveau départ, bien sûr. Amis auditrices et auditeurs, voici pour vous la liste de certaines choses à faire en cette période de vacances. D'abord, travailler sur sa passion ou ses passions si on en a. Pour la plupart des élèves et étudiants, les vacances sont les meilleurs moments où il faut chanter, danser avec ses amis. Et ça, je suis sûr que vous le faites déjà. En tout cas, profitez au maximum. Deuxième point, cherchez à vous orienter. Surtout, ceux et celles qui viennent d'avoir le baccalauréat pendant ces vacances, cherchez à savoir sur votre nouvelle aventure estudiantine. Si vous avez choisi une filière, eh bien c'est le moment idéal de discuter avec ceux et celles qui ont déjà fait la même filière bien avant vous. Enfin, troisième et dernier point, pendant que vous êtes en vacances, ceux et celles qui vont reprendre certaines classes, c'est le moment idéal de faire le bilan de l'année passée et de prendre les meilleures décisions pour l'année prochaine. Surtout, ne vous laissez pas surprendre. Ce n'est pas parce que vous avez échoué l'année passée que l'an prochain, sans effort, vous allez réussir. Rendez-vous demain dans la chronique et nous parlerons d'immersion. À demain, prenez soin de vous, comme toujours. Paix, lumière, amour sur vous. One big love, les amis. Merci, Oli. Et oui, les amis, tout ça, la fada, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème d'aujourd'hui, c'était les causes de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés non étatiques et les risques de cet enrôlement pour la jeunesse. Manyamba bakin mon na fada yau su Monsieur Farouk Diallo, Sidi Abdou, Yakuba Hamadou, Abdoulaye Songo et Zainabou Bakar. Anam muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma wani sati da mun zo muku da wata